Nous sommes euh, lundi 25 mars 2024, il vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger. Chères auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Ali Moukela Ousseni alias Seno et avec moi ce matin, Fanta Chamsou pour la présentation. Fanta, bonjour, comment vas-tu Je vais bien Seno et toi, comment tu vas Ça va. À la technique, nous avons Seini Isaka et Rahilatu Soumana est à l'édition. Super. Alors qu'avons-nous au menu ce matin Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous avons prévu pour nos auditeurs un programme varié et riche. Comme d'habitude, bien sûr, nous débutons avec euh, le flash d'informations suivi euh, du reportage Écho des régions qui nous amène à la découverte d'une tradition d'Agadez. Restez câblés pour euh, la découvrir. Ensuite, vous suivrez la chronique Lotti en compagnie des femmes du studio Kalangu et la revue sportive avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou. Et nous avons également réservé une place spéciale pour nos nouvelles rubriques dédiées au ramadan. Celles-ci comprennent des conseils nutritionnels, des conseils religieux pour les participants, ainsi qu'une rubrique dédiée aux recettes culinaires adaptées à ce mois sacré. Et comme chaque lundi, il y aura la rubrique hebdomadaire consacrée aux questions de justice. Dans la partie entretien du jour, nous recevons M. Hassan Mohamed. Il est le coordinateur du Centre international de formation des métiers d'avenir sûr. Il s'agit de SIFMAS Niger nous saurons plus euh, c'est qu'un métier d'avenir au Niger. Voilà, chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Fanta. Bonjour Seno. Le flash d'information à présent. Le gouverneur de Zander, le colonel Issoufou Labo, a présidé vendredi 22 mars la cérémonie officielle de lancement de l'opération de la vente des céréales à prix modéré dans l'enceinte du premier arrondissement communal de Zander. L'opération touchera 55 communes de la région, les 10 départements et la ville. Selon le gouverneur, cette opération connaîtra cette phase allant de mars à septembre 2024 et concernera 3050 tonnes de céréales composées du mil, du sorgho et du riz. Ce tonnage permettra de toucher 30 500 ménages vulnérables, soit 213 500 personnes. Pour rappel, à l'issue des différentes analyses sur l'évaluation de la situation alimentaire, la région dégage un déficit céréalier de près de 100 000 tonnes, soit un écart de couverture de 18 Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Au Niger, la tuberculose est considérée comme un problème de santé publique. Sa prise en charge fait partie du paquet minimum d'activités des services de santé. Son, dépistage a connu une nette augmentation en passant d'environ 14 500 cas notifiés en 2022 à plus de 15 700 cas en 2023. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 10 millions et des demi de personnes ont développé la tuberculose en 2022, euh, dont 1,6 million de personnes mortes de la maladie. L'élection présidentielle au Sénégal s'est tenue hier 24 mars. Le décompte se poursuit. Dans la soirée, les médias locaux ont commencé à donner les tendances de cette élection 2024. Les résultats officiels du scrutin sont attendus au cours de la semaine. Le Sénégal demeure dans l'incertitude sur la nécessité d'un second tour pour lequel aucune date n'est encore fixé. Et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 25 mars 2024. Merci beaucoup Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé, notre invité aujourd'hui, c'est M. Hassan Mohamed, le coordinateur du Centre international de formation des métiers d'avenir sûr. Bonjour M. Hassan. Bonjour Madame. Merci de nous honorer de votre présence dans notre émission ce matin. C'est un plaisir. Alors avec vous, nous allons parler de votre structure et surtout expliquer à, à nos auditeurs ce qu'on entend par métier d'avenir sur au Niger et surtout comment y accéder. Alors euh, pour planter le décor, euh, faites-nous une brève présentation du CIFMAS Niger et quel est son objectif. Oh, d'accord, merci beaucoup. Euh, déjà, quand on dit CIFMAS Niger, comme la définition de ce style-là, il s'agit du Centre international de formation des métiers d'avenir sûr. Donc quand on dit métier d'avenir sûr, c'est-à-dire il y a plusieurs métiers, mm. n'est-ce pas Maintenant, il y a des métiers qui sont sûrs, c'est-à-dire avec ces métiers, vous n'aviez pas euh, la possibilité de chômer. C'est impossible. Vous voyez un peu. Et quels sont ces euh, métiers Voilà. Euh, nous allons en venir. D'abord, je vais répondre à, la, question d'objectif. Mm-hmm. Je ne dirais pas que nous avions un objectif, mais plutôt une vision. <coughs> Et notre vision, elle est quoi Déjà, nous sommes sur un continent où chaque année, il y a des milliers de diplômés qui sortent de nos universités privées comme publiques. Mais la question qui reste et demeure est est-ce que l'État pourra recruter tous ces jeunes-là Vous voyez un peu. Et la réponse, elle est nette, impossible. Puisque chaque année, je suppose, l'université Abdou nous donne 10 euh, 000 diplômés. Et mm. les universités privées nous donnent, je suppose, 20 000 étudiants euh, diplômés qui sortent de, nos facultés tout frais. On ne peut pas. C'est impossible. Donc, maintenant, la nécessité d'orienter les jeunes vers des métiers où la demande existe vraiment mm-hmm. sur le marché. Mm. Donc notre vision, c'est de reconvertir ces jeunes-là qui sont déjà diplômés, mais qui sont à la maison et qui n'ont pas d'emploi. Mm. Au lieu de rester au quartier faire les fadas, il faut s'orienter vers les métiers où la demande existe vraiment sur le marché. Ce qui nous amène également de vous reposer la même question euh, concernant ces métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-uns Oui, déjà euh, ici au Niger, ou pour ne pas dire Niamey seulement, euh, chaque week-end il y a une fête. N'est-ce pas oui. Voilà. si ce n'est pas mariage, c'est que c'est baptême. Mhm. Alors c'est une opportunité en or pour tous ces citoyens nigériens ou nigériennes n'est-ce pas hmm. Quand on parle de fête, il y a beaucoup euh, d'opportunités là à tirer. Il y a beaucoup de profits. Hmm. Les femmes aiment se rendre belles, hmm. n'est-ce pas Pour maquiller, euh, je, dirais, euh, une nouvelle mariée aujourd'hui, il faut minimum 15 à 20 000, pour ne pas dire 30 000. Ça dépend de la gamme du client, n'est-ce pas Donc celle-là qui apprend à maquiller quelqu'un, à faire des foulards, elle ne peut pas chômer, impossible. Vous voyez un peu, si elle le sait bien faire, parce qu'il y a beaucoup qui préfèrent là. Je vais profiter également et demander mhm. à, nos, à nos citoyens mhm. de consommer local. Mhm. Puisqu'on préfère laisser nos soeurs qui maîtrisent, qui savent le faire, et aller vers les Nigériens qui quittent euh, le Nigeria parce qu'on se dit ils sont compétents ou elles sont compétentes. Vous voyez un peu Donc, c'est la nécessité de se faire bien former. Parce que si tu sais bien, bien le faire, la personne n'aura pas le choix. Au lieu de, te laisser toi au quartier et prendre taxi pour aller euh, ailleurs pour se faire maquiller parce que elle, euh, elle pense que là-bas c'est meilleur. Et toi, tu as fait tes preuves. Même quand tu, es sur le plan local, la personne n'aura pas le choix que de faire avec toi. Donc c'est une opportunité pour euh, les jeunes filles, surtout, qui n'ont pas encore un métier ou qui chôment à la maison, mais qui ont une passion, parce que tout est question aussi de passion, mm-hmm. qui ont une passion pour les métiers de la beauté. Il y a mm-hmm. le maquillage à mm-hmm. qui est une très belle opportunité. Si vous prenez un marché, vous allez maquiller la mariée, les, filles, les, demoiselles d'honneur et bien d'autres. Vous voyez un peu, on laisse ça, on vient également sur le plan de, l'habillement, mm. la couture. Que tu sois garçon comme femme, si euh, chaque week-end il y a une fête, tu vas trouver pour toi. Exact. Vous voyez un peu, tu mhm. vas trouver pour toi, il n'y a rien à dire. Donc, euh, il y a pas mal de, de, métiers hein, Qui, où la demande existe vraiment sur le marché, mais il n'y a pas encore, parce que les jeunes existent, mm. il y a d'autres qui se disent, moi je ne serai pas diplômé mm. et puis je vais devenir couturier. Mm-hmm. Je serai pas, je n'aurai pas mon master et puis je vais devenir maquilleur. Mm. Alors qu'il y a de l'argent dedans. Mm-hmm. Que veut le peuple <laughs> Le pain et la paix. <laughs> il existe depuis quand votre centre euh, Nous sommes à Niamey depuis euh, le 19 septembre 2022, donc bientôt nous allons faire euh, deux, ans, ans. et nous avions déjà fait beaucoup d'heureux sur le marché. Mm. Il y a beaucoup de, de, nos apprenants qui ont pris par nous, qui ont déjà leur salon. Mm. Il y a d'autres qui ont déjà leur atelier. Il y a d'autres euh, où on a trouvé des stages. Et par le biais des stages, euh, on les a engagés et tout. Et justement, vous avez combien de branches de filières ou, que vous proposez Nous en avons plusieurs. Mais actuellement, nous avions sélectionné cinq filières où la demande est très forte actuellement sur le marché. Mhm. Il s'agit du maquillage foulard, la couture, cuisine et pâtisserie. Parce que quand on parle de fête, hmm. il y aura la bouffe. Mhm. <laughs> Donc si vous ne savez pas préparer, <laughs> vous ne saviez pas faire les, petits biscuits et autres là, vous allez rater ces marchés-là. Vous voyez un peu. En dehors de ça, maintenant, il y a la photographie. Ah. qui est à la une actuellement. Vous voyez un peu. Mhm. Mais les jeunes hésitent, euh, les jeunes hésitent plutôt parce qu'ils se disent que pour acheter euh, les matos, le matériel nécessaire, hmm. ça demande beaucoup d'argent. Hmm. Alors que tout est question de, programmation, tout est question d'organisation. Hmm. Si vous organisez bien, vous allez apprendre la photographie, vous allez manger dedans. Quand on prend le cas de, celui-là qui a fait la fierté du Niger euh, à la Cannes Côte d'Ivoire, euh, Hassan SOS. Hassan SOS, lui aussi, il a commencé quelque part. C'est parce qu'il a cru. Il va pas me dire Hassan SOS, va pas dire aujourd'hui qu'il a commencé avec caméra de 1 million. Impossible il a cru en ses rêves, à sa passion, et aujourd'hui il devient l'idole de tout un pays. Mhm. Vous voyez un peu. Donc euh, j'exhorte également les jeunes à embrasser cette carrière, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de, de, mariage également, il y a beaucoup de couples qui souhaitent faire des photoshoots. Mhm. Aujourd'hui, photoshoot, c'est à 5000 francs. Tu trouves, euh, je suppose, 5000 000 euh, fois 2 par jour, bien, ça te fait 10 000 francs. Mhm. En un mois, ça fait 300 000. l'est d'un cadre à un n'est-ce pas oui. Voilà. Mm-hmm. Et comment, comment le centre euh, contribue à répondre à ces besoins sur le marché Bon, pour les besoins sur le marché, c'est ça, je vous ai déjà dit. On essaie de dénicher quand même, euh, parce que quand on dit l'entrepreneuriat déjà, c'est la réponse à un besoin sur le marché. Mm-hmm. Vous voyez un peu, s'il n'y a pas un besoin sur le marché, l'entrepreneuriat n'existerait pas. Mm-hmm. Vous voyez un peu. Donc, on essaie de dénicher un peu euh, ces, besoins-là sur le marché et on apporte maintenant euh, la solution à ça à travers nos formations hmm. et quelques innovations qui permettront quand même à ces jeunes-là de pourront se de se prendre en charge eux-mêmes après leur formation hmm. et même avec de, de maigres moyens. Parlant de, de, de, ces formations. Comment est-ce que vous, voulez les concevez pour préparer les étudiants Déjà, il y a, y a euh, des séances de coaching que nous faisons Mm. des séances d'entrepreneuriat et des séances euh, d'éducation financière. Mm. Parce que si vous ne savez rien de l'éducation financière et vous venez, vous voulez entreprendre, vous savez, bon, vous avez fait votre formation, vous êtes euh, compétent, mais si vous n'aviez pas le minimum qu'il faut en éducation financière, vous ne sauriez pas comment vous gaspillez votre argent. Mhm. Et ça arrive à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Par exemple, maintenant, quelqu'un qui sort aujourd'hui, qui trouve 30 000, quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de gagner 000 francs, il gagne 30 000, il voit que la vie est facile il s'en va gaspiller. Mhm. Vous voyez un peu. Donc il y a une éducation financière mhm. qu'on donne gratuitement à tous nos, apprenants pour leur, pour leur former pour le préparer quand même à la vie entrepreneuriale. Mhm. Mm. Et comment, comment on accède à ces centres Moi, je veux bien savoir. <laughs> Déjà, euh, pour, pour, le centre, c'est un centre privé. Mhm. Hmm? donc, euh, on est d'accord. Donc, ce que nous faisons, c'est, je ne vais pas dire du bénévolat, mais ce n'est pas loin du bénévolat parce que les prix sont tellement euh, revus accessible. voilà, accessible mm. à, tout le monde, à toutes les couches, mm. que tu sois pauvre, riche ou mm. miséreux. Ok. Alors, quels sont les, défis rencontrés dans la formation des jeunes pour les métiers d'avenir au Niger Déjà, les défis, il y a le manque de volonté de certains jeunes. On a rencontré ce cas euh, plusieurs fois ici. Il y a des jeunes qui viennent parce que les parents veulent qu'ils apprennent quelque chose. Euh, si vous me permettez, je vais donner une petite anecdote. Là, je ne vais pas donner son nom. Il y a une fille euh, l'année dernière qui est venue suivre des cours en maquillage avec nous. Sa maman travaille à la banque et il me semble que sa soeur travaille dans, dans une organisation internationale. Et elle était en classe de terminale, non, ou bien elle a eu fraîchement le baccalauréat. Et ses parents souhaiteraient quand même qu'elle apprenne quelque chose de ses mains et tout. Mm. Et ils sont venus, on lui a posé, parce que quand vous venez, vous, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Mm. On va essayer de faire une petite étude avec vous pour, pour voir là où il y a votre passion, mm. le métier qui vous intéresse un peu. Mm-hmm. Donc dans ça, elle a dit, elle va faire le maquillage. Ses parents ont tout acheté pour elle. Mais cette fille, quand elle vient, elle partage ses outils-là à ses camarades. Et elle dit ah, qu'elle, elle veut devenir militaire. <laughs> et que ça, l'a, la ça <laughs> N'est-ce pas Vous voyez un peu, donc il y a, il y a, ce là de manque de, de, volonté. D'accord, d'accord. Alors, euh, on a retenu pas mal de choses dans cette première partie de notre échange. Euh, nous avons bien évidemment compris que votre centre existe à peu près il y a cela deux ans, qu'il y a pas mal de métiers que vous partez même sur le terrain pour dénicher, voir les besoins qui existent sur euh, le marché et essayer de donner des formations concernant, n'est-ce pas, ces ces opportunités qui existent. Donc, euh, avant de, de, de, continuer, marquons une pause pour euh, le conseil ramadan, n'est-ce pas euh, Bien sûr, c'est nous. Aujourd'hui, la prédicatrice nous parle de l'hygiène de la bouche en jeûneur. Oui, Fanta, rester toute une journée entière sans manger ni boire peut entraîner une mauvaise haleine. Mais en islam, pour le jeûneur, elle vaut du misque hein, auprès d'Allah. Selon la prédicatrice, néanmoins, ce n'est pas une raison pour négliger l'hygiène de la bouche. Plus de détails avec euh, Malama Amina Aliou, joint par Hawa Ousmane. mai azumi yake da shi Allah yana jin shi a ƙanshi ne ƙanshin ma ya fi ƙanshin almiski kuma almiski wani turare ne na gidan aljanna to wannan ba shi zai sa ka bar bakinka ka je da gaje ka yin brush ba yin brush halal ne zaki iya yin zaki brushin ki da toothpaste da maclean in dai har ba zaki haɗi ba sai ki yi shi da hikima amma mafi ala ki brush ɗinki da kira gama sahur kika wanke bakin ki har zuwa shan ruwa bakin ki na nan ba zai samu wannan bashi bashin ba idan kuma kin manta baki yi da sahur ba to wannan zaki iya yi amma ki tabbatar baki haɗe toothpaste baki haɗe shi abin nan ɗin brush ɗin ba wallahu a'lam Voilà, c'était le conseil Ramadan avec Malama Amina Aliyou, jointe au téléphone par Hawa Ousmane. Chers auditeurs, poursuivons avec la deuxième partie de notre entretien. Je rappelle que notre invité du jour, c'est M. Hassan Mohamed. Il est le coordinateur du Centre international de formation des métiers d'avenir sûr. Alors, M. Hassan Mohamed, comment le centre collabore-t-il avec les entreprises et organismes en cas... Bon, ça, ça se passe très bien hein. euh, on travaille en synergie avec euh, plusieurs entreprises de la place surtout pour pouvoir euh, mettre nos apprenants en stage puisque la formation seule ça ne suffit pas mm-hmm. il faut que les gens aillent en stage pour être à l'afflux de la chose afin de mieux comprendre et faire des erreurs également et les réparer mm-hmm. Mm-hmm. Alors, euh, quels sont les domaines spécifiques où euh, le Niger cherche à développer son expertise en matière de euh, métier d'avenir Bon, là, je... Selon vous, bien sûr. Ah, ok, voilà, c'est là que <laughs> j'en venais. parce qu'en en tant que partenaire civil, hmm. nous, on peut donner quand même des, propositions. Et hmm. j'en ai déjà donné quelques, quelques-unes tout à l'heure en matière de, <laughs> couture, en matière de couture, stylisme, mhm. on, a, on, a, on a vraiment de potentiel là. Euh, parce que le Niger, euh, le citoyen nigérien, je vais dire, Seino ne dira pas le contraire, aime s'afficher. Hmm. le Nigérien aime le paraître. <laughs> Ça, c'est l'Africain d'une manière générale. <laughs> Mais bon, il y a, y a un penchant hmm. d'un pays à un autre. Quand on prend les Congolais, eux, ils aiment les produits. Hmm. Vous voyez un peu. Donc, chaque pays avait ses spécificités. <laughs> Donc, pour ça, il y, a la, la couture qui est, qui est, très en vogue actuellement. Il y a le maquillage, il y a la coiffure aussi. Mm. Euh, pas forcément des mèches, hein, mais des coiffures euh, de, de, façon maison, là, voilà, des tresses mm-hmm. maison mm-hmm. qui, qui qui, sont en vogue aussi actuellement. Il y a la pâtisserie, cuisine, il y a réparation des téléphones aussi. Mm. Parce qu'aujourd'hui, presque 60% de, de, la population de Niamey dispose d'un téléphone Android. Hein si je, ne me trompe pas. Mm. Et les téléphones Android, si ce n'est pas écran, c'est que c'est tombé dans l'eau. Mm. Ou bien bout, de, charge. <laughs> Voilà. bout de charge ou bien micro. Micro. Alors que ça, là, aujourd'hui, même quand tu es étudiant et tu apprends ce métier-là, mm. dans ton amphithéâtre, si une ou deux personnes est au courant que tu répares des téléphones, c'est fini. Il n'y a pas ce jour-là, tu iras à l'école, à l'université et tu vas pas gagner un marché. Mm-hmm. Toi, tu vas pas faire comme les autres, tu prends 500 000 francs, ça te va. Mm-hmm. Donc euh, voilà, il y a, pas mal. Il y a la photographie aussi, mm. comme je l'ai dit tout à l'heure. Mm. Il y a aussi le journaliste web. On n'en parle pas souvent, mais c'est un métier qui a, qui a beaucoup d'opportunités mm. actuellement et la Côte d'Ivoire en a compris. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui ne sont pas engagés dans des télévisions, mais ils ont leur plateforme sur les réseaux sociaux et ils gagnent énormément d'argent. Ils gagnent des marchés de publicité, etc. Donc toi qui es journaliste, tu, as, tu es journaliste de formation, les radios ne pourront pas engager tout le monde. Vous me suivez bien. Mhm. mais Rajo ne peut pas engager tout le monde. Mhm. Donc pour ça, tu peux créer ta plateforme et puis voilà, tu, tu, fais, tu fais ton activité, mhm. tu essaies d'informer de, la population à travers ces, différents canaux de, communication-là. D'accord. Avant, avant d'attaquer la dernière question, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans des métiers d'avenir au Niger D'accord, déjà, je vais, je vais demander à, tous les jeunes de, de Niamey d'abord et du Niger en particulier, mhm. que les métiers d'avenir aujourd'hui, c'est une nécessité. Mhm. Ayez un pied à l'université, un pied euh, dans, les ateliers ou dans les centres de formation. Mhm. Parce que l'école, le blanc nous a menti, excusez-moi. Le blanc nous a menti. Ah Donc oui, quand on va en Chine, <laughs> Vous voyez <laughs> Donc, il faut qu'il y ait un pied à l'université, mm. un pied de l'autre côté. Là, on sait que même si les parents ne vous donnent pas les moyens pour payer les, polycopes et autres, de l'autre côté, si vous arrivez à jongler un peu, un peu, vous pouvez déjà être euh, un peu autonome financièrement sans l'aide euh, des parents mm. à payer les polycopes, les documents et pourquoi pas les TD aussi vous-même en attendant de terminer vos études. ok mm. Ok, sage conseil. Alors pour finir, parlez-nous de votre journée porte ouverte hein, d'une manière euh, très brève. Résumée. <laughs> ok, déjà la, la, journée porte ouverte, c'est une journée qu'on organise pour permettre à tout le monde de venir euh, voir ce qui se passe chez nous. Mm-hmm. Et la journée qui est pour le mercredi prochain, si tout se passe bien, mm-hmm. euh, c'est pour les ateliers, l'atelier de réparation de téléphone. Mm-hmm. Les gens viendront avec leur téléphone et puis nos apprenants qui sont en formation vont réparer ça gratuitement pour les gens. Ça sera où ça sera Certainement, il y a des, des, auditeurs peut-être qui ont un problème de téléphone. <laughs> voilà, les téléphones, de, les, les, problèmes d'écran, de, hmm. de, bout de charge, micro, etc. Euh, on vient de terminer le panel de, de, de cette vague-là des, téléphones Android. Hmm. C'est aujourd'hui qu'ils vont commencer les, les téléphones iPhone, les déprogrammations et autres. Donc c'est pour cela on a, on a organisé ça qui serait carrément un test pour eux, euh, mm. une évaluation quand même pour ces apprenants-là, mm. qui auront quand même le plaisir de, de, réparer vos téléphones gratuitement. Et la réparation, ça sera gratuite Oui, ça sera gratuite. Ah ok. <laughs> Super. Merci infiniment à vous, Hassan Mohamed, d'avoir euh, répondu à notre invitation. Merci. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, pareil à vous. Fanta, on fait une petite pause et on revient juste après connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre le conseil diététique. Oui, c'est nous sur les marchés, l'on retrouve différentes huiles de cuisson et pendant le ramadan, synonyme de forte consommation, elles sont utilisées dans la préparation des sauces et fritures. Oui. Mais toutes ne sont pas bonnes pour la santé. Exactement. Euh, le nutritionniste Abdourazak Bello donne des détails sur comment choisir la bonne huile pour cuisiner. Il est au micro de Rahilatou Soumana. Nous consommons différentes huiles dans notre alimentation quotidienne proposée sur le marché. Bello Abdelrazak, le nutritionniste, explique comment choisir une bonne huile de cuisine pour une meilleure santé. Le principal élément qu'on cherche dans l'huile, c'est ce qu'on appelle les acides gras. Il y a ce qu'on appelle les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Ce qui fait la qualité d'une huile c'est sa teneur en acides gras insaturés. Parmi ces acides gras insaturés, il y a deux qui sont particulièrement recherchés, communément appelés oméga 3, oméga 6. Important pour le développement du cerveau, c'est important pour la femme enceinte. Ces éléments sont importants pour nous fournir de l'énergie, également pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Il faut choisir une huile qui ne contient pas d'impuretés. Et il y a d'autres critères bien. Oh, voilà un, petit souci euh, avec le son, Fanta. Donc, on va attaquer directement le reportage en, région, n'est-ce pas? Oui, c'est chers auditeurs, nous vous amenons ce matin à la découverte de l'une des traditions culturelles ancestrales d'Agadeza, qui est le Kidida. J'espère que j'ai bien prononcé. <laughs> Exactement, c'est une danse des femmes lors des mariages ou baptêmes ou à l'occasion des grandes cérémonies du sultanat. Notre correspondant Moussa Maman nous amène au cœur de cette tradition. les des tambours et del la danse des Kidida se fait par de femmes agadésiennes vêtues de leur tenue traditionnelle. adamou jibou est l'un des acteurs, explique dans quelles circonstances cette tradition se tient. Kidida tana cikin al'adu na gargajiya na agadas kuma alhali kidida tana cikin al'adu na yarinyar da ta yi aure inda ba agadas ce sai an mata wannan kidida za a kai ta gidan magajiya bayan sallar lisha a so a ɗauke ta ana kidida ana kidida mata suna ta kidida ba rawa nawa kuma kowane mayi yake mata mace kowace ma mace yi take a lokacin ana yi ana yi ana kiri da a ta gidan yar uwa amarya a ta gidan dangin ta duka dai wanda suka iya doka kiri da kana a ta gidan uwa da dangin uwa a ta gidan uba da dangin uba kiri da tana son a yi ta cikin kaya na gargajiya to bayan aure inda ake yin kiri da sai kamar sultana ta yi wasu manyan-manyan baki. Karima Gado fait partie des danseuses principales de Kidida, choisie par le sultan

suka zuwa da marece sai rawar gewaye mu yara sai mu koma can kote guda muna gani suna sai mi tsaye mi haka muna kallo an suka ida mu mato suna muna kallon suna yi kuma sai mu koma can in suna sai mu koma kotan mu gudan ma muna yi uwaye muka gani tsafin mu da da muke yara ba mu samu amfani komi amma yanzu akwai amfani in za a yi mu 'yan gabas mu sarki ka kira ce mu zo gargajiya ta kuma mu zo za a baki mai rawar kidida ni kidida inda ta kai ya taba kai mu wani aji sarauta da aka yi na bugara saboda aka sa busan nan ko kai wane ne gashin jikin ka sai ya tashi a Agadez la tradition culturelle de Kidida se classe parmi celles qui font la fierté de la l'Aïr après le Bianou et le Tendé dans de grands événements. Merci Moussa Maman pour ce reportage. Un coucou d'ailleurs à tous nos auditeurs qui nous écoutent à Agadez via la radio Nomade. Maintenant, place au sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Fanta, bonjour Senou. Bonjour. Alors Adam, qu'est-ce qui se passe du côté du Maroc pour le MENA qui séjourne depuis quelques jours eh bien, le MENA a un programme assez lourd du côté du Maroc. Mhm. deux, matchs amicaux, deux matchs amicaux au programme. Mais malheureusement, le MENA a perdu le premier match test contre le Togo sur le score de 2 buts à 1. Quelques joueurs du MENA et un membre de la délégation se sont prononcés après le match au micro de notre confrère de la RTN. On l'écoute. C'était un mois très bon, très engagé du début jusqu'à la fin on avait le match à main en inscrivant le premier but et on encaisse des buts sur des détails, deux pénalties, heureusement pour nous euh, Mais au vu du match, euh, je pense qu'il y a du positif. C'est des matchs tests, des matchs amicaux. Le coach est en train d'essayer d'avoir un système pour mettre en place une, une équipe euh, vraiment très compétitive. Maintenant, c'est de tout donner pour le deuxième match et essayer de gagner pour faire un peu plaisir au peuple nigérien aussi qui attend des résultats. Dans l'ensemble du match, on était euh, aujourd'hui euh, supérieur au Togo, mais on a donné des, opportunités pour nous faire mal. Mais c'est sur ça qu'on doit travailler. Le coach qui est là, il fait un bon travail, il nous le dit toujours, il faut qu'on gagne nos matchs. Je pense que ce premier match est un test et nous allons, euh, avec les techniciens, on va certainement tirer les enseignements nécessaires et faire en sorte qu'on relève le défi prochain qui est celui de battre le Burkina Faso. Nous rappelons que le match contre le Burkina Faso est prévu demain. Alors, euh, Adam, parlons à présent des 13e jouets africains qui se sont euh, déroulés au Ghana du 8 au 23 mars 2024. C'est nous, la délégation nigérienne présente à ces Jeux africains, et rentrée avec 10 médailles au total, toutes disciplines confondues. Mais rappelons tout de même que c'est en taekwondo que le Niger a remporté plus de médailles, ce qui confirme une fois de, plus euh, la bonne place qu'occupe le Niger dans cette discipline. C'est la fin de cette chronique. À demain pour un autre numéro. Merci infiniment, Adam Sariou, pour euh, toutes ces informations sportives. À présent, c'est l'heure pour nous de suivre, euh, bien évidemment, la rubrique hebdomadaire. Et nous sommes lundi, nous parlons justice. Oui, c'est non. Pour respecter les droits de l'homme dans certaines circonstances, c'est l'avocat qui se tient comme un rempart pour défendre les opprimés et les vulnérables. Leur expertise juridique permet de représenter les victimes d'abus, de discrimination ou d'injustice devant les tribunaux assurant ainsi euh, un accès à la justice. Issoufou Adamou, avocat, revient en détail sur le rôle et l'importance de l'avocat dans la défense des droits. Il est au micro de Nana Hadiza Hassan est un acteur majeur de la vie judiciaire. L'avocat est effectivement cet auxiliaire de justice qui joue un rôle de premier plan dans l'engagement des poursuites par rapport à tout ce qui concerne les violations des droits humains. Nous le savons par exemple pour certaines euh, juridictions internationales, celle de la CDAO encore qu'on peut débattre au regard du contexte. Le droit de saisine est conditionné par justement la postulation d'un avocat. Et justement parce que cet avocat aussi joue l'avant-gardiste dans la défense des droits humains c'est quelque part même la quintessence le rôle le plus important de l'avocat, qu'il puisse jouer la défense des droits de l'homme. Comment collaborez-vous avec le mécanisme régional des droits de l'homme euh, L'avocat, il, est là, il joue un rôle euh, de manière, en tout cas du débit à la fin, en amont et en aval, il est au centre de toute la procédure. Euh, c'est lui qui saisit les mécanismes des institutions internationales protectrices des droits de l'homme, tous les organes juridictionnels que nous connaissons, que ce soit la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour de justice de la CDAO, euh, en tout cas toute forme de juridiction qui se donne comme compétence justement de sanctionner les violations des droits de l'homme. L'avocat, c'est lui qui les saisit. L'avocat est celui-là qui plaide devant des juridictions, il fait des mémoires, il fait des requêtes celui qui présente l'argumentation, celui qui fait aussi, il accompagne le travail d'enquête parce que la production de preuves, le rassemblement euh, des preuves et aussi la présentation des preuves devant l'exécution, tout ça c'est le travail de l'avocat. Donc celui qui caractérise aussi la violation des droits de l'homme pour regard des éléments euh, factuels celui qui les analyse d'un point de vue juridique et les soumet à l'appréciation comme telle donc des juridictions qui vont apprécier, qui vont dire le dernier, leur mot à la matière. L'avocat nigérien peut-il poursuivre un État devant une organisation sous-régionale Les avocats, c'est vraiment une question de sacerdoce, c'est une question de devoir. Tous les combats, toute leur vie se résume à Comment défendre les autres, comment défendre les droits des victimes. Mais aujourd'hui, l'avocat nigérien a le droit de porter devant la Cour de justice de la CDAO pour défendre tout citoyen euh, qui ne serait pas membre, en tout cas tout justiciable, euh, contre un État, je dirais, qui est encore membre donc, euh, de la CDAO, comme tout l'État du, du, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Rien n'empêche un avocat donc, nigérien de postuler et de défendre devant la Cour de justice donc, de la CDAO. Voilà, à présent, nous allons revenir sur les conseils diététiques. Le nutritionniste Razak Bello donne des détails sur comment choisir une bonne huile pour cuisiner. Il est au micro de Raila nous consommons différentes huiles dans notre alimentation quotidienne proposée sur le marché. Bello Abdelrazak, le nutritionniste, explique comment choisir une bonne huile de cuisine pour une meilleure santé. Le principal élément qu'on cherche dans l'huile, c'est ce qu'on appelle les acides gras. Il y a ce qu'on appelle les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Ce qui fait la qualité d'une huile, c'est sa teneur en acides gras insaturés. Parmi ces acides gras insaturés, il y a deux qui sont particulièrement recherchés, communément appelés oméga 3, oméga 6. Important pour le développement du cerveau, c'est important pour la femme enceinte. Ces éléments sont importants pour nous fournir de l'énergie, également pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Il faut choisir une huile qui ne contient pas d'impuretés. Et il y a d'autres critères, bien entendu, qu'on peut également utiliser pour apprécier la qualité de l'huile, c'est sa brillance. Lorsque une huile est terne, ça veut tout simplement dire que c'est une, huile qui a été conservée très longtemps et ça change de couleur. Il y a également une modification d'odeur. Quelle différence peut-on faire euh, entre les huiles d'origine végétale et d'origine animale La différence fondamentale entre ces deux huiles-là, généralement les huiles d'origine animale se solidifient à température ambiante pour dire que ces huiles-là sont riches en acides gras saturés alors que les huiles végétales sont fluides, c'est-à-dire que riches en acides gras essentiels. La meilleure huile dans un premier temps, c'est l'huile qui ne va pas se solidifier à température ambiante. Ces acides gras saturés sont impliqués dans la survenue des maladies cardiovasculaires et c'est pour ça qu'il est important d'éviter dans notre alimentation les acides gras saturés qui sont contenus dans les huiles d'origine animale. En plus des acides gras saturés, vous avez également du cholestérol. Également, on sait que le cholestérol est impliqué dans les maladies cardiovasculaires. Mais souvent, le problème auquel on est confronté, c'est qu'il y a de la contrefaçon. Il y a beaucoup qui vont faire une association d'huile d'origine animale et d'huile d'origine végétale pour un souci de rentabilité. Et c'est ce qui fait que souvent vous allez retrouver sur les marchés des huiles normalement d'origine végétale qui se solidifient à température ambiante. Naturellement, l'huile d'arachide, c'est une bonne huile. La seule difficulté, c'est que le processus de transformation, c'est un processus artisanal qui ne permet pas d'éliminer certaines impuretés. Mais sinon, du point de vue composition, l'huile d'arachide est très riche en acides gras insaturés bénéfiques pour l'organisme. Est-ce qu'elles sont toutes bien pour les fritures Lorsque l'huile noircit avec des dépôts solides et l'aliment qui est frit également et ça veut tout simplement dire que l'huile en de contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques, malheureusement, sont des éléments cancérigènes. Et ça, c'est vraiment déconseillé de consommer de façon fréquente ce genre d'huile. Voilà, c'était le nutritionniste Abdurrazak Bello au micro de Rahilatou Soumana. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www.studiocalangou.org. Il est 11h passé de 36 minutes et c'est l'heure de découvrir notre étoile du jour. Il s'agit du fait Ada Meikano. Oui, Fanta Ada Meikano, l'humoriste nigérien de renom, nous a quitté le mois dernier à Maradi. Il a fait ses sur scène à travers son duo avec euh, Rabiou. On les surnommait Ada et Rabiou. Et après une carrière longue de 40 ans, aujourd'hui, il laisse un vide dans le monde de la culture nigérienne. Suivez son portrait réalisé à titre posthume par Mohamed Maman. <laughs> Wannan muryar ta tafi har abada yan uwansa da abokaninsa da suka gabatar da wasanni tare sun yi masa rakiya zuwa gidansa na gaskiya dan uwansa yi ada ya bayyana cewa mamacin ya yi fama da dogon rashin lafiya shiga yi ba ya gade shi ba ne eh, kawai Allah ne ya kaddara mashi da haka ya shiga labarin rasuwar nan tashi gaskiya ya ratsa mana rayuwa ya ratsa mana zukatai irin yadda ya kamata kuma ya yi doguwar rashin lafiya sosai ni ne referensi ni ne abun nan babba likita muna dan ta jihadi da abun. Amininsa na tsawon lokaci ya ce marigayin mutum ne mai sauƙin ra'ayi mai son bada dariya ya kuma tunatar da cewa barkwanci ba shi ne aikinsa na farko ba. Tare muka yi soji da shi tare muka yi tantabiya da shi har muka baro muka zo nan ya koma ce tare da Ibrahim labu. ya kare wannan aiki ya dawo kaya kuma da yana wani aiki amma ni tun tantabiya har zuwa kenan wannan Allah amshi shi muna tare da shi girma da arziki baya ga wasa da dariya adamu ba mu da wata matsala da shi bakinka da shi dariya na duk inda kuka gamu ko kai awa ya tabo ka dariya ko kana so ko ba ka so kuma sai ka dara Shugaban 'yan wasa na maraɗi Haladu Garba da ake kira mai gari ya bayyana cewa fani al'adu ya yi babban rishi. Akan wannan babban rashi da muka yi na babban komediyan na ƙasa baki ɗaya a Damai Kano. A Damai Kano wani mutum ne tun da ya bar soji kada ya aikin na neman abinci to ciki akwai kilciro. fisabilillahi ada kano ya bauta ma kasan nan kuma ya hiddo sunan maradi da sunan kasan nijar bisa haraka komedi to a wannan daman ke ce allah ji kanshi da rahama allah ya yi mai kurakuran da ya allah sa mazura a da bari albarka mu da muka saura in lokacin mu ya allah sa mata da imani ada kano ya tafi da ban dariyarsa da ba za a sake shi ba a cikin iyalinsa ana shaida cewa ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata kaɗai ce ke yin yadda ya yi lokaci ne sai ba mu damar sanin ko za ta iya riƙewa Le portrait traduit et rendu au studio par Asmana Shina. L'artiste va certes laisser un grand vide dans la culture nigérienne, paix à son âme. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Aujourd'hui, c'est nous, nos chroniqueuses vous apportent quelques astuces sur comment préparer un bon plat d'attiqué. Et dans la partie bien-être, vous saurez plus, hein, chers auditeurs, sur comment fabriquer du shampoing à base du savon noir naturel. Écoutons Rabbi Mekano et Ruketo Abdraman. bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bienvenue dans notre coin dédié aux filles, la rubrique Rose, on va parler d'un plat qui est nous les les filles, on aime. Bon, pas toutes les filles, mais quand même la majorité des filles aiment ces plats. Il s'agit bien sûr des attiéké ou bien garba comme l'appellent les Ivoiriens. Nous avons rencontré Anissette, euh, une restauratrice dans le quartier. Elle nous a dit un peu plus euh, sur ce plat. Voilà bonjour monsieur. Oui, vous voulez acheter combien Trois plats. Ok, ok. Tout de suite, dans, dans 10 minutes, ça sera déjà prêt. Dans 10 minutes. Oui, les, trois plats sont euh, trois mille. Le plat à francs, mille francs. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis en train de couper les oignons pour la checker, pour l'accompagnement de la checker. D'accord, maintenant expliquez-nous comment on fait la checker. Bon, la chicken, normalement, il quitte en Abidjan. Il est déjà préparé. Mais quand ça arrive ici, c'est dans les boules de sachet, c'est des longues boules. On vend ça partout. On prend les boules là et puis on met la marmite au feu avec de l'eau et on met le passoire. Comme vous chauffez du dambou ici, mais lui, par rapport au dambou, lui fait 5 minutes seulement. Pas plus que ça. C'est ça. C'est comme ça on fait la checker. D'accord. Une fois que la tchétchée est finie, on accompagne ça avec quoi Ça dépend de vous. Vous pouvez prendre le poisson, le poulet, ça dépend. Mais le poisson, nous, on prend le poisson de mer. Si vous aimez le poisson de mer, vous pouvez juste l'assaisonner avec euh, le sel seulement. Mais si vous n'aimez pas l'odeur, vous pouvez mettre les, l'ail, les persils, mariner ça bien avant de, la, de faire frire ça dans l'huile. D'accord. Et après ça, on fait pas un petit jus pour accompagner la... Si, mais bien sûr, les jus, c'est l'oignon, tomate, euh, persil et puis concombre et un peu de poivron. Voilà, vous faites le jus avec la mayonnaise bien assaisonnée à votre goût. Ça passe avec le piment frais pilé et vous faites cuire le piment à part. C'est comme ça. Donc la préparation d'attaquer si je comprends, c'est un truc qui finit, c'est un plat vite fait, Très vite fait, en 15 minutes, 15 à 20 minutes, vous pouvez manger votre plat d'atcheke. Si vous êtes tout seul en tout cas, c'est bon. Merci beaucoup, Madame Alicette. Coucou les filles. Aujourd'hui, dans ce coin dédié à la beauté et au bien-être, nous allons fabriquer un shampoing bio à base de savon noir naturel. Certes, sur le marché, vous pouvez trouver des shampoings adaptés à votre type de cheveux. Mais si vous pouvez fabriquer vous-même un shampoing à la maison avec peu d'ingrédients, pourquoi pas Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va fabriquer ensemble un shampoing naturel bio à base de savon noir africain. Pour faire ce shampoing, il vous faut trois ingrédients. Le savon noir africain, de l'eau et du bicarbonate de soude. Le savon noir africain, vous pouvez le trouver sur les différents marchés chez les côtières. Et pour moi, j'ai pris un savon 1500. Le prix du savon varie en fonction de la taille du morceau. Il y a des petits morceaux, des grands morceaux, des morceaux moyens. Donc pour moi, c'est le moyen. Pour faire la recette, c'est très simple. Il, vous suffit de verser les 1 litre d'eau dans un récipient. Émiettez le savon parce que le savon est assez dur et, vous allez déballer le savon parce que c'est emballé dans un papier. Émiettez le savon Ajoutez le savon dans les 1 litre d'eau et laissez reposer tant que le savon puisse se dissoudre dans, complètement dans l'eau. Une heure voire deux heures de temps. Voilà les filles, nous sommes de retour après une heure de temps. Notre savon est complètement dissous dans l'eau et c'est le moment d'ajouter les trois cuillerées à soupe de bicarbonate de soude et mélanger pour avoir euh, un liquide assez homogène. Nous avons une très bonne consistance de shampoing. C'est assez lourd. Vous pouvez aussi le faire léger. C'est à convenance au fait. Donc euh, voilà, ce shampoing a une propriété nettoyante, assainissante pour le cuir chevelu et ça rend les cheveux doux et soyeux au toucher. C'est pour tout type de cheveux, des cheveux crépus ou des cheveux défrisés. Ce shampoing est adapté à vos cheveux. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec d'autres astuces. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là la rubrique rose jusqu'au bout des ongles présentée par euh, nos deux chroniqueuses. Il s'agit bien évidemment de... Euh, Mariam et aussi euh, Abdraman. <laughs> Maintenant, suivez notre rubrique Loti, une causerie féminine animée par euh, Rukaya Abdraman et Rafika Ataer. Et ici, elles partagent leur expérience sur, une autre manière d'épargner, mais pas de l'argent, plutôt de la nourriture. Nous appelons cela kwa, Écoutons. lotti. Mhm. ai goga hangar ni sai zama lotti si ba murayen bifo na di ir kurara wai bore na char margu ira afo na makolla me fo ginaiza ma kayan dai tomati konko yan ne yan giyan haifo he ka ban wai ine a ci kwakwa ifo no ta a ci kwakwa kwai ne hmm. amma char ne da labari fa hal ga kaso ne sibahan kan ta a ci kwakwa hmm. ai dingo a ci kwakwa te na almiyalo fulan zam aran gara hande kararan sun wari dai yidi fo no romo ag fur murad fo rami aha matini ga singinda to ni hanga feri gama sintina ga dai nin daron kura wai borai no gu margu aran mu shawara aran mu salanga saba aran mu alwati kakan aran ga hatta ga dicare da habu kunno da habu hinkaka habu hinkano to aran dai no gu bai da alwato din kagato aran ga charku baino bor kulmakan da wari ze inga hina dai dandi hmm. yawo ga himan kan gondal barka ni si ba bai kyaro ai a ci kwakwa fondara ni gudu me wari zukul hingin nafa amma wallahi wai borai na lasa berte fonda wane ora zama a ci kwakwa wa sikka no kulsi a ga almiyalai na fagumo amma dai bar kwara bar musu kwai gidi a ci kwakwa ginai wa bor kwai ginai zai noro zabu ba ni nin mo kyaro fo gina noro kawai nago ya girgi solo kwa a ci kwakwa do to irin charku bai nodi ne Voilà, c'était là le loti offert par les femmes du studio Kalangu. Découvrons à présent la recette culinaire. Aujourd'hui, euh, dans cette rubrique, nous, nous sommes intéressés à une communauté d'internautes intitulée Marmite nigérienne. Marmite nigérienne est une communauté sur Internet qui a plus de 40 000 membres sur Facebook et qui se partage les recettes gastronomiques du Niger. Amidotou Ilamekaswa est une passionnée de la cuisine. Elle est l'initiatrice de cette page. On l'écoute. Moi, je suis une euh, amoureuse de la cuisine euh, bon, du monde en général, mais nigérienne en particulier. Euh, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle La Marmite Nigérienne. Et puis un site internet aussi du même nom, euh, pour promouvoir et valoriser la cuisine nigérienne. C'est une cuisine qui est résiliente, comme son peuple. donc c'est une cuisine qui s'adapte à tous les, tous les moments et toutes les difficultés aussi de la vie j'avais euh, cette frustration en fait de constater que, ben, en général, les gens ils connaissent pas la cuisine nigériane. Et quand ils connaissent quelque chose de ça, c'est ça se réduit à kelichi et puis euh, les grillades. Euh, il y a ce recueil donc des spécialités gastronomiques du Niger et d'ailleurs qui a été édité pour la première fois en 1982. Et on l'a retrouvé, mais on l'a perdu, mais on l'a retrouvé grâce à la communauté de la marmite parce qu'il y avait un des membres qui, partageait régulièrement des recettes de ce livre. On l'a scanné et puis on l'a mis en téléchargement sur le site internet et on s'est dit qu'il fallait en fait qu'on crée un projet euh, communautaire où on va mettre à contribution nos membres pour qu'ils puissent nous aider à actualiser ce bouquin on s'est dit que la, meilleure façon de procéder, à défaut de pouvoir se rendre dans chaque région pour euh, recueillir les, recettes euh, gastronomiques, euh, je dirais, spécifiques à ces régions-là, c'est de procéder par notre groupe Facebook. Donc on a lancé ce qu'on appelle des défis de la marmite, disons une sorte de concours sur un temps limité pour que les gens apportent leur contribution. Et puis après, ce sont, comme c'est un système démocratique, les membres qui votent. Et les, les plats qui ont le plus de votes sont ceux qui gagnent. Donc nous en appelons à tous ceux qui souhaitent euh, nous aider donc, euh, à fournir les, meilleures recettes de, cuisine nigérienne à, venir et puis à, participer à ce, challenge, hein, mais que ce ne soit pas forcément pour le, lot, donc, euh, enfin, le, gain de 25 000, mais juste pour contribuer à cet élan quand même, je dirais, patriote de, mettre à jour ce, recueil qui vous appartient tous. Restons toujours en cuisine, c'est nous, pour découvrir notre recette avec notre collègue Alamine Ouachar qui compromis la semaine dernière. me za ka koya mana ma yau <laughs> to yau dai ah, abin da na zo muku da shi shine gishin rago ah, a ga al'ada a biznawa eh, gishin rago dai yana da yadda ake yin shi tsari to muna shi kamar na farko dai eh, bayan an yanke rago an da kayan ciki duka Eh, in kana so kana iya kasa wani abu cikin eh, ragon bayan ka cire kayan ciki mm. eh, bayan ka wanke cikin duka kafin da duk wani jini da ke kumshe da shi sa'an lokacin kai kana can ka sa huta a itace tana ci kahin kake wannan gyare-gyaren duka lokacin ka kunna huta saboda a samu gawayi mm. e kaga an ka wanke sannan in kana da abubuwan da kake so ka sa ka san wasu suna sa kuskus ah, ah. wasu suna sa shinkafa wasu suna sa macaroni hmm. babu abinda ba ya sa amma ana iya zama eh, kaman mai shui traditional ne hmm. a al'adanci kaman mu muna yin shi ne a al'adanci wani za ka ɗauka haka kawai ka sa shi cikin ƙasa ba tare da ka shan fiɗa mai komi ba e, amma yawanci yanzu saboda komi yana tahiya da yadda duniya take tahiya da shi mm-hmm. yanzu an fara sa irin wannan dan eh, abin da ake fida nan da ake ci aluminium mm. eh, shi ake fida ga kasa saboda eh, wasu suna cewa suna yana kura amma ba zai kura ba in dai ka ga nama kasa cikin kasa ya kura ko ya dau kasa to bai da mai mm. amma a gaskiyar lamarin in dai yana da mai in dai hutan nan ta ci ta ci sosai ka mm. janye gawayi ka aje cikin ƙasar nan yadda yake ina lallai ba wani ƙasar da za ta haushi mm. to bayan kasa duka abubuwan da ya kamata a cikin gishiri saboda mu ba mu cika sa wasu magi da sauransu mm. to sai ka kawo ɗan guntun tano misali mm-hmm. ɗan guntun tanon nan shine za ka rufe wannan ragon da shi kwata-kwata ya shiga ya rihe sosai ba inda iska zai shiga sai mm. ka dan kewaye shi da gawayin nan kewayen shi sai ka samu ɗan gawayi ka dan shi ma sama ka aza to za ka ba shi dan lokaci ya danganta da man da ragon yake da saboda mai yana sa abu ya gasu da sauri mm-hmm. kamar yana da mai sosai gaskiya in dai za ka yi gishi wanda in ka ɗago haka za ka baro nama ƙashi eh, ya turo to lalle awa guda ya isa mm, awa guda ya isa kuma za ka ga ruwa tana kamar da wani lokaci ne su abzinawa suke irin wannan gashin nasu a lokacin da suke da baki mm. musamman baki wani musamman ana yin shi kuma lokacin da ake wani biki haka wanda ba cikin harkar gaugawa ba mm-hmm. ana yin shi ma uh, kuma lokutan da ake yin shi maza ne ke yin shi ba mata ba ne mm-hmm. kan nan ne ya sha bamban da sauran ƙabilu nan maza ne za su yi wannan aikin wacce ba abin da za ta ba sai dai a kama ta ka sassa ta ci. <laughs> <laughs> voilà, chers auditeurs, j'espère que vous avez pris note. Euh, Fanta, retour au studio pour écouter la culture linguistique en français et en anglais. Elle est présentée par euh, Samira Oumarou. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your favorite show Culture linguistique. La semaine dernière, nous vous expliquons le rôle du sapeur-pompier. Et cette semaine, je viens avec l'explication de la protection civile. The last week, we talked about firefighters. And this week, it will be about civil protection. Le mot du jour est protection civile. Protection civile means in English civil protection. Civil protection is the protection of people, environment, and property against all kind of natural and human induced disasters. C'est-à-dire que la protection civile est la protection des personnes, environnement et biens contre toutes sortes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Un exemple, policemen and civil protection began their research. That means les policiers et les équipes de la protection civile ont commencé les recherches. La protection civile a pour vocation la protection des populations. Civil protection has vocation to help others. Retenons que la protection civile protège, prévient et alerte les populations et les sapeurs-pompiers secours, et aident les populations. Ils sont complémentaires. Civil protection protects people and firefighters help population. Chers auditeurs et auditrices, nous voilà à la fin de notre rubrique. Ladies and gentlemen, that's all for today. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de culture linguistique. Join us next time, same time, same radio. Bye bye. Voilà, merci Samira pour euh, ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser euh, un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et à présent, écoutons les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Muktar Basiru garin Malam da magaram jamhuriyar Nijar. To mu gaskiya muna ma studio Kanangu fatan alkhairi matuƙa dangane da cika shekaru takwas tuf shekaru takwas ba kwana takwas ba gaskiya sosai muna mata fatan alkhairi Allah ƙara hazaƙa kuma Allah sa ta yi shekaru irin na dabino. eh mu gaskiya shirye-shiryen studio karamku sun wayar mana da kai kuma sun nuna mana yadda za mu so kasanmu mu so al'umma kuma mu musamman ma mu matasa ta wana mana shirye-shirye na wayar da kai irin na mu haɗu a fada da matasa mata domin sanin su ma menene ya kamata matasa su kawo maza da mata su kawo su da ƙasa kuma talawa da kai sosai bisa kan ilimi da zamantakewar rayuwa da bangaren al'amura na rayuwa musamman ma na kiwon lafiya sosai muna godiya kuma wannan shiri ta hudu sabo na nitar kalanku gaskiya shi ma ya ba mu dama domin mu san artist mu matasa da wanda suka jima ba a ji su ba da ma masu harkokin kirkire-kirkire to gaskiya sosai wannan ma ya kara kayatar da mu sosai kuma muna kira da ita studio kalangu don allah da ta buɗe mana wata kafa tam club cewa da wani guruf ne na sashen wazaf ne ko guruf ne dai wanda zai ba da dama ga masu saurarenta domin tura saƙonni domin ba da ra'ayika a duk lokaci in ta ɗora shiri irin na kafafe na yada labarai na duniya muna so gaskiya su dokanku ita ma da ta shiga sauran irin wannan kafafe domin yadda za mu rika tofa albarkacin mu kuma kenan su masu sauraron nata na gabas ya san na yamma na kudu ya san na arewa kuma muna gaida abokanmu yan uwa da amanan arziki musamman masu sauraron rediyo na afirka muna masu fatan alkhairi kuma muna gaida amanan arziki balarabe a gaida mun muhammad naziru da yake nan ungulu garin malam ina so a gaida mun uwaye na maza da mata. Aino mun kai mun mun kolbu ne wara jo kalangon gar kono ce da ce ga hangan ai ga faham ai gugu mu fahamai hangane wora zama irga ma labariyan ki ginno ngai no ginnon da irgo ga di hali go mamu mutkan go te dunyara ko inda hadde rezo karari go he kulkan go te rezo fora irga faham mutkan kin bare go bai mu kai boye mu kai charga ga goi labo mutun ga bunga bu ku mu suka kan bu koli gane imidi o zama didi rezo non kana rigo kai ku tala ni no arajo kalangu ni da chota songo dubu ko arajo chota hanga kalangu kan la ba mutu am wom ko tesa foke shi i chota la kan bolgo hanga ni no arajo kalangu agin bo fere aseno alhamdulillah irgo ga hangan wallahi cheri voilà, nous sommes à la fin du Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même Ali Moukela Ouseni Dit Seno. À la technique, c'était Seni Isaka et Raila Toussoumana à l'édition. Excellente journée à vous et bonne rupture de jeûne. Bye bye. you.